Selon nous, la masse des populations ne peut pas donner les résultats proclamés par les signes. Mais nous souhaitons la paix dans le pays, qu'ils disent la vérité sur les résultats pour qu'on ait la paix et la sérénité.